L'actualité de la semaine, c'est d'abord la libération du député Abdoulabou, président du parti CDS Rama, le lundi 26 février dernier. Incarcéré depuis le 31 mai 2017 à la prison de Saï, l'ancien ministre et une vingtaine de personnes sont poursuivies pour supposition d'enfants. Selon le constitutionnaliste Maïna Cartier, l'impunité parlementaire et l'inviolabilité protègent l'élu constitutionnellement, mais sous certaines conditions. Tout député dans l'une des conditions d'inéligibilité est établie en cours de mandat ou qui est frappé d'une condamnation en portant déchéance et déchu de plein droit de sa qualité de membre de l'Assemblée nationale. Donc, si la condamnation n'a pas emporté la déchéance, alors là, le mandat est là. Si c'est juste une condamnation qui n'emporte pas déchéance de ce là eh bien, le député réintègre sa place au niveau du Parlement. Pour le cas de Hama Amadou, le délibéré de la Cour de cassation sur le même dossier prévu le 28 février 2018 a été renvoyé le 11 avril 2018. La Cour attend l'avis de la Cour constitutionnelle sur les exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par le collectif de ses avocats. Ce jour 4 mars, les partis membres de la mouvance au pouvoir ont organisé des marches suivies de meetings à Niamey, Tawa, et Agadez pour soutenir le gouvernement et la loi des finances 2018. Lors d'une rencontre avec les bailleurs de fonds du Niger, le ministre des Finances Hassou Massoudou a déclaré mercredi dernier que le gouvernement ne reviendra pas sur cette loi des finances malgré les contestations. En réponse au ministre, le collectif des organisations de la société civile entend poursuivre le combat contre cette loi qu'il juge antisociale. La quatrième édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage du Niger s'est tenue du 27 février au 4 mars 2018 au palais du 29 juillet de Niamey. Dans le domaine de la transformation agroalimentaire, des découvertes de taille comme le couscous de riz au criquet et l'arôme à base de moringa ont été présentées au public. C'est aussi le cas des hydro-rétenteurs, une nouvelle technologie qui lutte contre les déficits pluviométriques saisonniers. Hamisou Alassane de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger explique. C'est des produits qui ont une forte capacité d'absorption d'eau. Un gramme de ces produits peut prendre 300 fois Pour ce qui est de la culture des sorgho des on applique les produits par poquet et à peu près à 25 cm de profondeur. Ça vous permettrait d'économiser la moitié de l'eau d'irrigation normale. Autre fait marquant de la semaine, c'est la crise au sein de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Depuis l'interruption des cours à l'université le 17 février dernier, suite à la grève illimitée engagée par les enseignants, le syndicat des étudiants et le comité directeur multiplient les rencontres avec certaines institutions de la République pour trouver une solution à cette situation. Après la Commission nationale des droits humains la semaine dernière, ils ont rencontré le médiateur de la République et le Premier ministre cette semaine.